Tous les villageois sont contents parce que ce que vous avez fait, c'est la première nécessité de la vie humaine, l'eau, parce que l'eau représente la vie. Avec l'eau, on peut vivre, faire ses cultes euh, musulmans, parce qu'il faut se purifier et faire des ablutions. Tout ça, c'est l'eau qui le, fait. Donc, nous remercions et nous prions le bon Dieu qu'il vous verse sa bénédiction avec votre association. Tout le village est content de cette œuvre, parce que c'est l'œuvre euh, principale euh, d'une vie, l'eau. Elle est située à côté de l'école, notre école. C'est là que nous formons nos intellectuels. Vous, avez vu comment est l'école. Ah, nous prions le bon Dieu qu'il vous fasse beaucoup de force pour que la prochaine fois, vous nous dotiez de mur pour notre école. Inch'Allah, que Dieu le fasse. Nous vous remercions très bien et nous prions Dieu qu'il vous protège. L'eau du puits est douce et limpide. Elle est vraiment euh, agréable à boire. Il n'y a aucun euh, goût, un arrière-goût dans l'eau. Donc, c'est une chance. Merci beaucoup et merci à Dieu. Ah, jafe-jafe yi ngeen ñu fekkoon jafe-jafe yi tar la woon ndax amoon nañ ay jafe-jafe ndox dañ daan yendu ci teen yi di nga caatu di fanaan di nasal ci guddi naan jóg ñetti yoon te ganaat gi du sob kon nag buñ toogee ba jafe-jafe yooyu yàlla teggiñu ko dañ ko sante yàlla booleeg di leen gërëm nag di leen ñaanal fan wu gudd ak wér bi am nañ ci kontaante bu baax ndax dindi na suñuy coono dindi na suñuy jafe-jafe dindi na suñu métit dañ ciy naan suñ xale yi di jàng di wàcc di naan borom sa romb wëgg borom fas romb wëgg kon nag suñu jafe-jafe ci ndox moom deñ na ñun jafe-jafe bi ndox nga dañuy yok sant yalla di ñaanal ñu ko ñu ko fi def yalla na leen yalla yokku yalla jëmale leen ca kaw ca kanam suñ min mom suñ coono ci ndox yalla teggé nako ndax sox teen bu mom suukar lañ ko tuddee macha allah jërëjëf sama alaikum, bonjour à tous euh, bah voilà euh, la personne va se reconnaître parce qu'elle a financé plusieurs puits euh, c'est encore au prénom euh, de sa fille. L'eau, elle est encore beaucoup plus haute que le puits qu'on a fait tout à l'heure. En tout cas, on est toujours voilà, dans, dans la région, euh, bah, l'eau elle est, douce, euh, comme euh, le monsieur l'avait parlé juste avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un village et il y a une école qui est juste, en, juste à côté. cest dire que ça, ça, permet à pas mal bah, de villageois, les enfants, de venir puiser en tout cas cette eau-là. Спасибо.